Bonjour. 2 euh, mars 2020, euh, 2 avril 2020, un mois que le SARS-CoV-2, c'est-à-dire le virus euh, responsable du COVID-19, sévit au Sénégal. Et le COVID-19 vient de nous prendre un Sénégalais que tout le monde connaît, qui représente beaucoup pour ce pays, M. Pape Diouf. Je voudrais donc euh, présenter mes condoléances à sa famille, à ses amis et à tout le Sénégal. Nous avons, à l'heure actuelle, eu à hospitaliser 195 cas de Covid-19 et parmi ces cas, 55 sont guéris et 138 sont sous traitement. Les patients sous traitement, notamment sous traitement spécifique, tels que l'hydroxychloroquine, guérissent plus vite. Nous l'avons constaté. Mais comme j'ai eu à le dire, en matière de science, la constatation seule ne suffit pas. Il faut faire des recherches poussées avant de valider une attitude. Mais les résultats que nous avons constatés nous rassurent et rassurent toute mon équipe et nous allons continuer dans ce sens. Nous allons même mieux, dans les jours à venir, y associer de l'azithromycine, ce qui devrait nous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Mais il faut noter que la prise en charge ne se limite pas seulement au traitement spécifique. Certes, le traitement antiviral permet de raccourcir la durée d'hospitalisation, de guérir plus vite le malade. Mais ce traitement ne serait pas suffisant si on n'y associait pas les autres aspects thérapeutiques, tels que le traitement symptomatique, même le traitement de réanimation, tel que l'utilisation du respirateur, fait partie du traitement symptomatique. Donc le traitement symptomatique est essentiel. Nous devons en même temps traiter les comorbidités, parce que nous avons des patients qui nous viennent avec beaucoup d'autres pathologies associées, telles que le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, l'hypothyroïdie. Nous devons aussi prévenir les complications, telles que la maladie thromboembolique, ah, cette maladie peut se compliquer d'embolie pulmonaire et tuer le malade. Nous devons aussi prévenir les surinfections. Chez certains sujets qui ont une atteinte pulmonaire, nous devons donner des antibiotiques pour éviter que la surinfection n'emporte le malade. Donc tout ceci pour dire que la prise en charge, c'est un ensemble, c'est un package. Ce n'est pas uniquement euh, l'utilisation de traitements spécifiques. J'insiste euh, sur un fait. Ces résultats ne doivent pas pousser à l'automédication, qui reste dangereuse. Et c'est pour éviter d'avoir des effets secondaires inconnus, et gravissimes peut-être, que nous avons commencé dans un premier temps à traiter nos patients uniquement avec de l'hydroxychloroquine, bien qu'il soit connu que l'association avec de l'azithromycine euh, soit plus efficace. Mais après avoir traité un certain nombre de patients, nous n'avons pas noté d'effets secondaires. Nous sommes maintenant en droit de passer à la deuxième étape. Je voudrais aussi, avant de terminer, souligner que le combat, ce n'est pas le combat de la prise en charge, c'est le combat de la prévention. Et la prévention passe par respecter les mesures qui ont été proposés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et c'est l'occasion pour moi aussi de remercier la presse pour son implication dans ce combat. Parce que c'est le combat de la prévention qui nous fera gagner la guerre. Ce n'est pas le combat de la prise en charge. Euh, si tant rek je français moi faire di ñu lëjal depuis weer am na sa koo xam ne euh, feebar bi euh, si foofu la jaare wuy ji suñu borom muy Pape Diouf ñëpp ràññee ko fii si senegal ma di ko jaale njabootam di ko jaale ay xaritam ak Sénégal yëpp euh, si cas nombre de cas yi ñu recevoir am na ñoo xam ne wér nañ cinquante 55 waaye liñ seetlu mooy ñu ñu jox hydroxychloroquine ñooy gën a gaaw wér ku jëloon garab gi mun nga toog 20 jours hospitalisation waaye ñu ngi ko jox clairement ñun ñëpp seetlu nañ ñoom ñooy gën a gaaw wér loolu rek lañ doon joxe parce que dañ doon bañ joxe ñaari garab yi mu lëjal malaat yi parce que chlor hydroxychloroquine xam nañ ne nit ñi supporté nañ ko bu baax mais est-ce que supporté nañ ko ci feebar bu bees bii loolu yëpp moytu rek ñu ne dañ koy utiliser ba xool ndax supporté nañ ko gis nañ ñu ngi koy supporté bu baax léegi dinañ ci mën a yokk beneen garab yalla mën nañu dimbali ñu amal résultat yu gëna bax waye nak du lolu rek moy faj bi faj bi dafa soxla yenen faj lañu wax traitement symptomatique té mako doon wax même réanimation réanimateur yi nga xam ñun ñoy liggé ak ñom si traitement des cas graves li ñi def sax si traitement symptomatique la bok malade bi mën nañu am yenen fièvre soko ko fajaalewul feebar yooyu mun na décompenser mu yobbu malade ay complication mën na am war nga prévenir complication yi gàttandu xam noo koy jëlee en charge kon faj bi dafa am lu bëri loo xam ne def si war a ànd waaye nu munta demee guerre bi pour gañee ko du faj bi fagaru bi la fagaru bi la foog nit ñi jàpp loolu ñaareel bi ñu xam aussi ne garab yi nit ki war a ko jël di ko jox sa bopp loolu moom lu dangereux la si ñu koy def pour l'instant si liñ si xamagum garab bi utilisation médicale loolu rek la war a nekk Je euh, profite aussi occasion bi de centre presse bi parce que si prévention bob may wax ñu ngi ñu ciy dimbale bu baax baax té lolu rek moy tax vraiment ñu mëna a génn ci situation bi ak jàmm euh mu ne nii fi la yemalee sama cadeau cadeau bi professeur Bey moom mooy nekk chef réanimateur yi nga xamné ñu ngi liggé ak ñun ci cas yu grave yi jërë ngeen jëf